Au début, nous étions au nombre de 21 jeunes. Donc, euh, vu aujourd'hui, l'association compte un nombre de 461 membres et adhérents et qui continuent à être adhérents. Et nous avons plus de femmes que de jeunes aujourd'hui. En termes de pourcentage, nous avons 94,73% des femmes et des jeunes filles dans, notre, dans cette association. Donc, euh, nous faisons comme activité l'action du jeune assainissement, plus focalisée sur la protection de l'environnement et cohésion sociale la promotion la promotion de la paix et aussi la rénovation, donc euh, question de modernisation des infrastructures comme nous avons y a créé des activités dont je vais préciser très bientôt. Et à part ça, nous faisons aussi la protection, donc euh, BVG, violence basée sur les jarres. Nous savons que depuis quelques années, la, région de Difa est plongée dans une situation d'insécurité. Et ah. Qu'est-ce que vous faites euh, dans ce sens-là la région de Difa, comme ce que tu viens de dire, est, confrontée à cette situation de crise depuis 2015. Donc, euh, toutes nos actions que nous faisons, ça contribue à la gestion de cette crise. Parce que de 21 jeunes, nous nous sommes regroupés plus de, 400 et quelques. Et tous, c'est des jeunes qui travaillent des fois, tantôt qui sont en chômage. Et nous regroupons toutes les catégories confondues. Et donc, euh, cela a motivé les jeunes à ne pas être tout le temps restés croisés les bras, à regarder ou bien tout le temps attendre la main vers, le, vers des politiciens ou bien au niveau du gouvernement, au niveau des institutions privées ou publiques. Donc euh, c'est de dire que nous, les jeunes, on peut faire plus quand on se regroupe. Par exemple, je vais vous parler des actions que nous avons y aller faire, surtout le premier rond-point que nous avons construit de notre propre fond et nous avons montré que nous serons capables de construire, de faire et de s'unir entre nous. Et nous avons encore dernièrement eu à réaliser un monument devant le de canton et tout ça, c'était avec notre propre fond, notre propre engagement et que c'est parce que nous voulons amener un changement. Dire que ce n'est plus le temps tout le temps de faire la FADA seulement, mais on peut contribuer, on peut amener pas mal de changements. L'action d'hygiène assainissement que nous avons eu à faire dans la ville de Difa a amené pas mal de soulagement. Et il y a, il y y aussi des ensemblements que nous faisons sur le goudron qui causent énormément de problèmes aux conducteurs, que ce soit des motos tricycles, que ce soit des gens avec des véhicules, que ce soit avec des bicyclettes ou bien des pouces-pouces, ça cause énormément de problèmes parce que le goudron est pensé. À travers des actions des, et des ensablements sur le goudron, le goudron est espacé et que les gens arrivent à circuler comme il le faut et moins de risques, moins d'accidents. Et à part cela, nous faisons aussi des actions de cohésion sociale, comme je le disais, des festivités interscolaires que nous avons organisées avec des élèves. Et à deux reprises, donc au niveau de la MJC qui a regroupé plus de 1000 élèves, hein, si je peux le dire, 1000 jeunes au niveau de la maison de culture. Et à part cela, nous faisons d'activités de cohésion ou bien de sensibilisation au niveau des villages environnants. Vous savez, comme euh, DIFA est confronté avec cette crise, donc des fois nous réfléchissons sur des thématiques à jour, surtout question d'enlèvement qui est des fois en actualité, surtout sur des, questions d'hygiène, assainissement, le lavage des mains. Et il y a eu pas mal de, problèmes, pas mal de maladies qui sont apparues, surtout avec euh, l'arrivée de cette crise. Donc, euh, dans ce cadre, des fois, avec des partenaires, comme Axe Femmes, nous avons eu à faire pas mal d'activités, pas mal de sensibilisation, comme je le disais, au village environnant, et qui a amené une réussite, si je peux le dire. Comment la population accueille vos activités Oui, bon, vous savez, comme comme toujours, hein, il y a eu des problèmes, euh, il y a aussi des appréciations. Et comme à chaque moment, quand on fait nos activités, même comment nous avons mis du Fachawa, c'est que c'est même la population, des fois quand on fait nos activités, du passage, ils disaient que l'endroit est devenu Shawa. Shawa en termes canori, donc c'est la beauté. Donc au fur et à mesure, nous avons dit que comme on arrive à entendre plus le mot beauté à chaque moment, Shawa, Shawa, à chaque moment quand on fait l'activité, que ce soit et, de l'hygiène, que ce soit et, sensibilisation, que ce soit de la modernisation, les gens arrivent à apprécier nos activités et ils nous accompagnent. Donc c'était dans ce cadre-là que nous avons même eu l'idée de nommer ou bien et d'appeler notre comme slogan Fashawa Et par après aussi, sans avoir oublié aussi les côtés négatifs. Et, nous arrivons à être des fois critiqués, à être appelés des hommes politiciens, etc. Et que tout ça, ça ne manque pas. Mais notre souhait est que la jeunesse puisse comprendre. Donc de 21 aujourd'hui, nous sommes à 400 et quelques. Cela veut dire qu'on ne fait que recueillir des fruits positifs. Et quelles sont vos contraintes Qu'est-ce qui vous bloque souvent oui, euh, nos contraintes, des fois, c'est au niveau des, autorités, des personnes responsables et des ONG aussi, parce que nous n'arrivons pas à être accompagnés comme il le faut et nous sommes tout le temps presque bloqués aujourd'hui, je te l'ai dit, si le gouvernement, si surtout nos autorités locales au niveau d'IFA, s'ils nous considèrent beaucoup plus, on allait aller beaucoup loin. Mais avec euh, ce blocus-là qui nous a encore beaucoup retardé dans nos actions, nous aimerions faire beaucoup de choses. Nous avons un plan d'action bien déterminé que nous essayons de suivre à la lettre. Comment s'est fait le travail pendant la période de crise Nous nous sommes organisés pour sortir samedi et dimanche, uniquement samedi et dimanche de 6h à 7h30 pour amener notre contribution. Et on part, on sort des fois dès qu'on fait la prière du Fajr. Et il fait très tôt, les gens ne savent même pas qui et qui ont, sont venus pour travailler. Au fur et à mesure, jusqu'à envoyer nos publications, des fois nos logos un peu affichés un peu partout, les gens ont commencé à savoir qu'il y a une association du et petit à petit, même si des fois dans la ville, même si c'est pas nous qui avons fait une action, on l'appelle l'action du Fachawa. Donc c'est le gens de du Voilà et nos stratégies et la façon dont nous sortons pour amener notre contribution. Mais la période de crise ne nous a pas amené une, euh, une sorte de difficulté parce que ça ne nous empêche pas. Nous, on intervient plus dans la ville de Difa et que le samedi, dimanche, on sort pour euh, balayer. On n'a jamais vraiment, et, nous sommes jamais confrontés à un empêchement de quoi que ce soit.